Le grand journal. Barthélémy À la une, tribunal de Thiès ouverture ce matin du procès des pêcheurs de Kayar et de Mboro. Ils sont poursuivis pour coups et blessures volontaire, destruction de biens appartenant à autrui, entre autres. Macky et Barthélémy Diaz, sourire et accolade au Grand Théâtre National. Certains y voient un signe de rapprochement et pourtant, dans un passé récent, les deux hommes se regardaient en chien de faïence. Passé présent entre les deux hommes, Mohamed Ali Mouba jette un regard dans le rétroviseur. La situation au groupe La Poste, un plan de relance est en vue avec des départs négociés. La direction dément les recrutements annoncés ces derniers jours depuis l'arrivée du nouveau directeur il y a six mois. Il n'y a eu aucun recrutement, nous confitons. Un audit est même en cours sur la gestion de la boîte. Le syndicat de l'enseignement professionnel et technique dans tous ses états après une grève de 48 heures il annonce un boycott de l'examen technique et professionnel prévu la semaine prochaine. Et puis le Conseil national de la consommation qui se réunit cet après-midi hors du jour l'approvisionnement du marché. Il sera aussi question de statuer sur le prix de l'huile de palme raffinée et sur celui du sucre cristallisé. Vous entendrez là-dessus la position des boutiquiers et autres commerçants détaillants. Nous ont rendez-vous habituel, le journal international, le sport et la revue de la presse. Point de vue en fin de journal sur la préparation de la campagne agricole 2023-2024. Où en est-on à quelques semaines de, du début de l'hivernage On en parle en fin de journal. la technique. Bienvenue. Direction Bonjour. Oui, euh, bonjour, de euh, Mingom. Alors, vous êtes euh, présentement au tribunal de Thiès. le procès des pêcheurs de Cayar et de Mboro a bien démarré. L'audience a été renvoyée, il faut le rappeler, à deux reprises. Une trentaine de pêcheurs qui comparaissent donc pour répondre au délit de coups de blessure volontaire, mais également de destruction de biens appartenant à votre rue, entre autres. Oui, vous avez parfaitement raison, euh, raison. Ils sont 33 pêcheurs de Kayar et Moro euh, qui seront édifiés sur euh, leur sort aujourd'hui. Ils ont comparu ce matin devant le tribunal de grande instance de Thiès en flagrant délit pour cause de blessures volontaires et destruction des biens appartenant à autrui. Ce procès fait suite aux violents affrontement ben, regrettable du 2 euh, avril 2023 ayant opposé en mer des membres de la communauté des pêcheurs de la Grande Côte. D'ailleurs, dans un communiqué du parquet sorti le 6 euh, avril 2023, le procureur de la République du tribunal de, grande instance de Thiès, Chergien, avait relevé que ces événements survenus à Kayar et Mboro ont occasionné euh, des violences physiques graves sur des personnes ainsi que des dégradations euh, de biens dans ces localités. Pour rappel, les villages traditionnels de Kayar se sont réveillés le dimanche 2 avril dans la confusion totale euh, du fait d'une violente bataille rangée entre ayant opposé des pêcheurs de terre et ceux de Mboro, des échauffourées survenues dans la soirée du samedi 1er euh, au dimanche 2 avec la hauteur de Rondo à Mboro, 24, ayant endommagé des pirogues euh, d'embarcation qui ont été brûlées, occasionnant euh, plusieurs blessés de part et d'autre, lesquels s'en sont sortis avec des brûlures graves. Et les seuls autres seront jugés euh, à la chambre criminelle. à la chambre criminelle. Et donc, pour vous dire que les populations de Kayar et de sont venues, en tout cas nombreux, ici au niveau du euh, tribunal, euh, du tribunal de grande instance des euh, de et ces, ces pêcheurs de terre et d'Omboro. En tout cas, on fait une très grande mobilisation. Et pour vous mettre Maître euh, mhm. c'est lui qui défend les pêcheurs de Kayar et Maître Fatih et Aïe, euh, ceux de Mboro. Ils sont 15 prévenus du côté de Mboro et 18 euh, prévenus du côté de Kayar Merci beaucoup, Cheikh Ante direct du tribunal de Thiès. Violence donc, entre communautés de pêcheurs avait fait un mort. C'était début avril, midi, 5 minutes. RFM 94.0, la radio en puissance. La situation du groupe La Poste euh, qui fait toujours l'actualité alors qu'un plan social est en vue avec des départs négociés. On évoque un recrutement massif opéré ces derniers temps, mais la direction de la société publique précise qu'il n'y a eu aucun recrutement depuis l'arrivée du nouveau directeur général il y a plus de six mois. Elle parle de simple régularisation des travailleurs. Le directeur de la communication de la Poste ajoute qu'un audit est en cours sur la gestion de l'entreprise. Marc Silva avec Eladjindio Goudien. Ce on a vu que chez certains contractuels, ils avaient cumulé des contrats consécutifs à durée indéterminée. Et aujourd'hui, pour ne pas être en marge de la loi, on est en train de revoir contrat par contrat, cas par cas et le directeur général a instruit les, euh, services compétents, en l'occurrence les ressources humaines, à revoir ces, ces types de contrats cas par cas pour ne pas être en marge de la loi. Il faudrait qu'on puisse le dire haut et fort. Le directeur général n'a recruté aucune personne de son département, ni de sa circonscription, ni de sa, de, sa maison. on défie quiconque. Il faudrait que les gens arrêtent de déstabiliser la poste. On a parlé le responsable politique proche du pouvoir euh, qui auraient euh, fait recruter leurs proches à la poste. On parle même euh, d'une centaine de personnes recrutées. Qu'en est-il euh, réellement euh, voilà donc malheureusement l'extrait de la Goudienne qui a été euh, un peu mal coupé. La Goudien donc qui s'entretenait avec euh, Marc Silva, le directeur de la communication de la Poste. Et puis le syndicat de l'enseignement professionnel et technique dans tous ses états, son secrétaire général informe qu'il aurait toujours difficile de bénéficier d'une carte professionnelle ou d'une prise en charge. Amar Khan ajoute que cela fait 11 ans que les contractuels ne bénéficient d'aucun avancement. Euh, au terme de leur grève de 48 heures, grève qui a pris fin hier, et eh bien, ils annoncent un boycott de l'examen technique et professionnel prévu la semaine à venir. à avec euh, euh, Seydou Nourouba. Parce que là, il s'agit des cartes professionnelles en fait. Aujourd'hui, c'est une vieille histoire au niveau de l'éducation nationale, mais ça reste toujours d'actualité chez nous parce qu'aucune carte professionnelle n'est disponible. Et vous savez, l'important qu'une carte professionnelle, quand même, aujourd'hui, n'est plus à démontrer. Là, c'est un des nombreux points qui nous ont conduits à aller en grève. Parce que l'année passée aussi, n'oublions pas, tous les syndicats avaient levé leur mot d'ordre. Nous, nous avions continué trois semaines après, avant de lever le mot d'ordre, parce que nous avions trouvé un accord avec notre ministère, parce que nous, nous avons des problèmes spécifiques. Les problèmes que nous avons, en réalité, seul la tutelle pour régler. Il ne s'agit pas d'aller dans une euh, concertation avec les autres ministères, mais il s'agit de problèmes internes, de problèmes internes tels que euh, les dispositifs de formation, tels que aussi le reversement des METP, mais aussi le problème euh, des, contractuels. Donc là, nous avons des problèmes qui sont spécifiques et nous, nous avons remarqué aussi qu'il y a une absence totale de volonté de régler ces questions-là, se cachant derrière euh, le bilan réalisé par le président de la République. Nous nous disons non, nous sommes des enseignants comme tous les autres enseignants et nous n'allons pas nous laisser faire. Raison pour laquelle nous avons déclenché, c'est notre deuxième mouvement euh, de grève, nous allons continuer la lutte jusqu'à obtenir gain de cause. Nous allons accentuer le combat. Déjà, nous allons appeler au boycott des examens euh, du baccalauréat professionnel qui vont commencer dès la semaine prochaine. Amar le secrétaire général du syndicat de l'enseignement professionnel et technique. Fuite présumée d'épreuves d'examen à l'université à Diop de Bambay, la polémique enfle. Le recteur et le directeur de l'UFR économie et ingénierie juridique se crêpent le chignon par presse interposée le professeur Ahmadou Gaï se démarque de la sortie de Mahi Diaw, qui dans un communiqué semble minimiser cette affaire. Écoutons le professeur Ahmadou Gaï, directeur de l'UFR Économie avec Babacar Diouf. Un agent administratif qui travaille, qui a un contrat CDI, qui venait d'être titularisé au mois de février et qui a une responsabilité objective au même titre que tous les autres et qui a fait euh, fuiter 10 épreuves. Donc 10 épreuves, probabilité, comptabilité, maths financière, droit des affaires, droit administratif, euh, e e effectivement euh, économie. Et quand cela s'est agi, on a essayé de gérer la question en toute responsabilité. Et quand on a fini, on a rendu, on a rendu compte au recteur. Donc on lui a rendu compte pour lui demander effectivement que effectivement ce qui se passe et ce qu'on nous propose c'est une exclusion, licenciement de l'agent parce qu'il n'a pas sa place ici. Effectivement, euh, il avait pris des, des, décisions, des dispositions fermes pour faire le travail le plus rapidement possible. Mais nous avons attendu du 10 jusqu'au 29 rien puisque rien n'a été fait le conseil du FFC a demandé à ce qu'on, les enseignants dans un conseil extraordinaire où il y avait 27 présents composés de pères étudiants et tout le monde à l'unanimité est d'accord pour porter plainte donc directement auprès du procureur de Jobel Ce qui a été fait. Et depuis lors aussi, euh, il n'y a rien aussi, euh, il n'y a aucune suite pour l'instant parce que moi j'ai été entendu, ça fait 22, 33 jours pour jour, 3 semaines aujourd'hui que j'avais été entendu. Mais il n'y a la mise en cause n'a pas été entendue. Mais malheureusement, on a considéré, on a senti quand même qu'il y a une certaine lenteur et c'est là où effectivement la CS, pour protéger l'immense comme toujours, de l'université et protéger l'enseignement supérieur et l'ange des enseignants, a décidé de porter l'affaire effectivement donc euh, dans, dans, son, dans, son, dans, sa plateforme et a effectivement fait hier une grève d'avertissement. Le professeur Ahmadou directeur de l'UFR économie et ingénierie juridique à l'université à Diop de Bambay, direction Galambéré. une commune située dans le département de Kolda. Et eh bien là-bas, au lendemain de l'incendie qui a ravagé l'école élémentaire Gundaga Hassan, l'administration a convoqué ce matin les enseignants et même les parents d'élèves à une réunion d'urgence réunion pour statuer sur les voies émaillées à mettre en place pour euh, une reprise des cours dans les plus brefs délais. Abdoulaye Diallo. Même si les élèves étaient sur les lieux dès les premières heures de la matinée, mais il n'y a pas eu cours aujourd'hui à l'école élémentaire de Gundaga Hassan à cause de l'incendie qui a rayé de la carte cet établissement. Selon une source bien renseignée, pour une reprise dans les meilleurs délais des enseignements apprentissages dans cette école, il est prévu aujourd'hui même dans ce village de la commune de Djalambere une réunion des acteurs de l'établissement pour essayer de voir les dispositions à mettre en place. Du côté de la municipalité de Djalambere, ils sont en train de réunir des conditions pour apporter des secours aux Selon les acteurs de l'éducation de la zone, les élèves de la classe de SEM 2 victimes de l'incendie auront besoin de cahiers, du matériel géométrique, des livres de français, des livres d'éveil et de mathématiques pour essayer de reprendre leurs leçons qu'ils avaient écrites dans les cahiers brûlés. Un local équipé de tables bancs et de tableaux est également indispensable pour un redémarrage correct des cours. L'examen du CFE prévu le 22 juin prochain. D'ici là, les élèves et leurs parents continuent de demander de l'aide pour sauver l'année scolaire de ces potaches. RFM Kolda, Abdoulaye Diallo. Éducation toujours, mais cette fois-ci à Djurbel. À Djurbel, où le taux brut de scolarisation n'évolue pas, il est toujours à 55%. Certains acteurs indexent l'offre éducative et recommandent une cartographie des DARA, recommandation consignée dans le rapport annuel sur les performances enregistrées au niveau de l'IA de Djurbel. Ali Matoussar. Le taux brut de scolarisation et le taux brut de préscolarisation n'évoluent toujours pas à Djourbel. C'est ce qui ressort du rapport de la revue annuelle qui a été présenté par l'inspecteur Ndiaye, secrétaire général de l'inspection d'académie de Djourbel. Nous avons constaté que le taux brut de scolarisation de Djourbel est toujours de 55%. ce taux doit être amélioré. Par rapport également au TBPS, c'est-à-dire le taux brut de préscolarisation, ce taux également doit être amélioré, même si y a un car positif comparativement à l'année 2021, eu égard à l'intervention d'un projet qui s'appelle PIPA DHS. Malgré tout, il y a toujours des, problèmes. Ce taux doit être boosté davantage, eu égard au potentiel de la région. Des contre-performances dues à l'offre éducative classique. Parce que ici, on a l'offre classique. Il y a également les écoles franco-arabes. Il y a les gares modernes qui ne sont pas très nombreuses. Il faut tenir compte des aspirations de la population dans la zone de Touba, par exemple, si on tient compte de leurs préoccupations, ça pourrait quand même améliorer sensiblement le taux euh, de scolarisation. Comme recommandation, la cartographie des DARA pour leur prise en compte par le ministère de l'Éducation urge. Conformément aux recommandations du président de la République, il nous faut assurer une prise en charge efficace des langues d'art. Et pour ce faire, il faut d'abord identifier l'ensemble des DARA qui sont au niveau de l'académie. Si statistiques sont prises en compte, nous n'aurons plus de problème de, de, Néanmoins, le rapport annuel de l'inspection d'académie a montré de très bons résultats dans le programme élémentaire et le taux de promotion. Djourbel Alimatoussa, Radio Futur Média. Et ce déguerpissement en vue à la plage de Malika, la, la municipalité et la sous-préfecture ont, qui ont donc décidé de chasser toute personne qui occupe illégalement les lieux. Ceux qui exercent des activités commerciales sont les plus inquiets. Eh bien, après ce déguerpissement à Minataba, les autorités locales annoncent le renforcement de la surveillance de la plage pour éviter des cas de noyade. Les femmes vendeuses à la plage de Malika sont soucieuses de leur avenir sur le site et c'est à cause du dégarpissement prévu par les autorités locales à Ramsey. Quand on présente les gens qui vivent dans le milieu doivent se sentir dans ce projet-là. Moi, je ne suis pas d'accord qu'on prenne d'autres gens. On amène un projet, on laisse les gens du quartier ou bien les gens qui, qui habitent Malika et prendre d'autres personnes. J'ai même pas encore de place là-bas. C'est attribué à certains et il y a d'autres qui n'ont pas ces, places-là. Et moi, j'en fais partie. Le coordonnateur de la brigade de surveillance de la plage de Malika rassure les occupants du site. Selon Bakary Gadiaga, le projet va prendre en compte leurs préoccupations. On a constaté avec la commune une occupation anarchique au niveau de la place de Malika. Donc, on a voulu réorganiser, réharmoniser afin de mieux améliorer le cadre de vie au niveau de la place de Malika. On va les, les prendre en compte, Inch'Allah. On va les écouter. Inch'Allah, on va travailler avec eux. Les autorités locales elle s'engage également à lutter contre les cas de noyade à la plage de Malika. Elle compte relancer les activités de la brigade de surveillance et accentuer la sensibilisation des usagers. baké Diawara, sous-préfet de Malika. Alors, de la nécessité de renforcer les dispositifs d'information, de communication, zéro cas de noyade en 2022 et demander à la brigade qui est là-bas, accompagnée avec la mairie, de renforcer en tout cas ces moyens parce que la baignade de cette plage est interdite. Par ce projet, les autorités locales cherchent à attirer davantage des visiteurs à la plage de Malika. Aminataba Kermessar, Radio Média. Je vous l'annonce en titre, la réunion du Conseil national de la consommation. C'est cet après-midi. Les prix de l'huile de palme raffinée et du sucre cristallisé seront au cœur des débats, mais précision du vice-président de la SCOSEN, de nouveaux prix ne euh, sont pas à l'ordre du jour, mais plutôt l'approvisionnement du marché. De leur côté, les boutiquiers et autres commerçants détaillants s'attendent à une prise en charge de leurs préoccupations. La problématique de l'approvisionnement correct du marché en sucre au cœur de cette rencontre. Ainsi, euh, toutes les parties prenantes, à savoir les consommateurs, le ministère du Commerce, les boutiquiers, vont aborder ce sujet afin de cerner la problématique du sucre au-delà de l'huile de palme raffinée en vue d'une révision des prix. Momad Sissi est le vice-président de l'ASCOSEN. Nous avons remarqué que depuis un bon bout de temps, le sucre en poudre en termes d'approvisionnement pose problème. Il va falloir qu'on étudie à tous les sacs de commerce, chacun en ce qui le concerne, de l'importateur ou du producteur, du grossiste, du demi gros ou du détaillant, la marge qui leur sera fixée. Et que cette marge-là soit respectée et qu'on évite cette tension perpétuelle au niveau du sucre en poudre. Donc je ne peux pas augurer qu'il y aurait une augmentation, une baisse sur tel ou tel produit. Ça dépend des arguments qu'ils vont nous donner. Invités à prendre part à cette rencontre, les boutiquiers et détaillants souhaitent que leurs préoccupations soient prises en compte. Morniang est membre de l'association des boutiquiers et détaillants, président de la section Touba de la dite association. Nous voulons que l'État prenne compte de nos, idées et nos demandes pour mieux euh, améliorer le thème commercial. Parce que dans toutes les rencontres, euh, on nous demande nos idées, nos pour mieux améliorer le commerce, mais parfois ça, tombe. Au... Elles ne sont pas prises en compte. Ouais, elles sont pas prises en compte. Cet après-midi, ministère du Commerce, association de consommateurs, boutiquiers vont à nouveau se pencher sur les prix de l'huile de palme raffinée et du sucre cristallisé afin que le marché soit correctement approvisionné. Famadion, midi 18 minutes, vous suivez le journal sur RFM et je vous en remercie. RFM politique. D'abord, cet échange de civilité hier entre Macky Sall, Khalifa Sall et Barthélémy Diaz et même Habib Sy au Forum mondial de l'économie sociale et solidaire. Au tribunal de l'opinion, les avis euh, sont partagés sur ces, sur ces retrouvailles. Un reportage signé Koumba Sandian <laughs> bien. Une bonne note que le président Sall attribue ainsi au maire de Dakar, Barthélémy Diaz. Est-ce que Macky Sall pense réellement que cet opposant à son régime qui lui a arraché la capitale lors des dernières locales sous la bannière de Yehui Askanui travaille bien Les avis des Dakarois sont mitigés. Où est-ce qu'il a lancé l'appel Si c'est en Conseil des ministres, qui est le cadre institutionnel le plus élevé. de le Conseil des ministres 3 avril. Voilà, donc le 3 avril aussi, c'est une date historique dans la marche de l'institution du, pays. Mais nous, si le climat reste tendu comme ça, on pourra le regretter. Des civilités entre le président Sall et des ténors de l'opposition comme Khalifa Sall, Abibsi ou encore le maire de Dakar, Barthélémy Diaz, en cette période de supposé pré-dialogue. Pour ce monsieur, tout rentre dans l'ordre institutionnel. Donc je pense que c'est de bonne guerre que les gens les, personnels de politique, politiques se démarquent de la personne politique et de la personne euh, étatique, institutionnelle qu'ils représentent. Donc qu'ils aient une lecture par rapport à ça. Si c'est une invitation politique, qui répond dans le cadre politique. Si c'est une incitation institutionnelle, qui répond dans le cadre institutionnel. Un autre, Mohamed, lui, pense que cela a bien un lien direct avec la main tendue du chef de l'État. Si Maxal est sincère, il n'ont qu'à aller lui répondre, c'est tout. Que le maire de Dakar, Barthélémy Diaz, travaille bien, comme le président le dire à son papa ou que le président Sall faisait juste son show euh, pour faire comprendre euh, qu'il est en train de réduire Yehui Askanui à sa simple expression. Euh, tout ce qui semble intéresser les Dakarois à juste des mois de la présidentielle, c'est la stabilité de ce pays. Koumba Sandiane Faye, Macky Sall, Barthélémy Diaz, donc sourire et accolade au Grand Théâtre National, certains y voient un signe de rapprochement et pourtant dans un passé récent, les deux hommes euh, se regardaient en chien de euh, faïence, euh, Mohamed Ali Mouba, donc sur cette affaire que nous allons retrouver avant la fin de cette édition. Ousmane Sonko, lui, est convoqué, a convoqué plutôt une session ordinaire lundi prochain, le 8 mais jour de son procès, procès en appel euh, contre Mambaïna pour la diffamation. Parmi les points euh, de l'ordre du jour, euh, ces diverses poursuites selon Demba. Gay, maître de conférence, il analyse et analyste politique donc à l'UCAD. Il faut, dit-il, comprendre cet acte posé par le leader de PASTEF. On l'écoute avec Seydou Nourouba. Il n'est pas obligé d'être présent pour un tel procès. Alors, convoquer un conseil municipal à même date, ça peut signifier, ça peut être un message envoyé à ces militants pour leur dire que le jour du procès, je ne serai pas présent et que c'est pas nécessaire de faire la même mobilisation comme on avait l'habitude de le faire par le passé. Ça peut avoir cette signification parce que chaque fois qu'il y avait un procès, il y avait une mobilisation, il faisait une communication pour mobiliser ses militants. Cette fois-ci, c'est une façon indirecte de dire à ses militants que qu'il n'y a pas de mobilisation dans les procès. Depuis la visite de, de, de, la mission de l'Union européenne, euh, il a fait des déclarations pour, pour dire tout cela. Idriss que lui-même l'a dit. Et depuis lors, on note qu'Ousmane Sonko a, a changé de stratégie il n'y a, même, il a, plus la même détermination à mobiliser ses militants. Et donc, on note une certaine sérénité. Est-ce que maintenant cela veut dire qu'il euh, il y a une négociation Est-ce qu'on l'a rassuré euh, On verra. Mais dans tous les cas, il y a un changement de comportement d'Ousmane Sonko. Tout le monde a noté que ce changement de comportement est forcément dû à quelque chose. L'actualité internationale. Bienvenue Anna Rocha. Merci beaucoup Barthélémy Direction le Mali d'abord, la junte au pouvoir fixe une nouvelle date pour le référendum constitutionnel. Initialement prévu le 19 mars dernier, le référendum est finalement prévu pour le 18 juin prochain. C'est ce qu'a annoncé euh, ce vendredi matin le porte-parole du gouvernement qui a lu le décret à la télévision nationale malienne. Le colonel Abdoulaye Maïga a également répondu à quelques questions. C'est une occasion de renforcer la cohésion nationale, a-t-il dit. On l'écoute. Il y a eu trois tentatives avortées de révision d'une constitution. Et cela indique à suffisance qu'il s'agit d'une priorité, en tout cas d'une préoccupation pour, euh, pour les Maliens, mhm. de, mettre à jour et d'avoir euh, des, institutions fortes. Aujourd'hui, ce projet de constitution est l'espoir de notre pays. Euh, pour la simple raison que dans, un, dans une société, dans un pays, la Constitution constitue la norme fondamentale. C'est d'autant plus important euh, pour nous que depuis 2012, le Mali fait face à une crise euh, multidimensionnelle, je dirais, que je qualifierais d'existentielle, dont les moments sombres, c'est la perte de 55% de notre territoire national et bien entendu toutes les victimes de ce drame depuis 2012 nos jours. Donc il est très important, honnêtement, qu'on se retrouve et que nous tentons de donner un nouvel élan à notre pays et que le marie soit une, soit une, une réalité. Et l'important également que le référendum se tienne, soit teinté de, de, paix, de sérénité et de tranquillité. Nous n'avons pas le, luxe de nous diviser davantage. Je pense que c'est un moment, euh, en tout cas c'est une occasion que nous avons de, de renforcer notre, la cohésion, la cohésion nationale. Colonel Abdoulaye Maïga, porte-parole du gouvernement malien, les militaires vont voter par euh, anticipation le 11 juin. Euh, la fin de la transition au Mali est fixée à février 2024, euh, mais la population malienne, elle, est en phase avec le pouvoir en place. C'est ce qui ressort en tout cas du dernier rapport de la Fondation Friedrich Ebert, dénommé Mali Maître et présenté à Bamako. Correspondance Zanga Abdoulaye Ouattara. Ce rapport met en exergue les défis majeurs des Maliens qui restent la lutte contre l'insécurité, le chômage des jeunes, l'insécurité alimentaire ou encore la corruption de la justice. Ce 14e numéro de Malimètre précise que 56% des Maliens ne trouvent pas nécessaire de mettre en place un gouvernement d'union nationale. 44% des personnes interrogées pointent du doigt comme défi la cherté de la vie, 38% la lutte contre le chômage des jeunes. Le rapport souligne que 57% ne trouvent pas d'avancée dans la mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation. Plus de 7 Maliens sur 10 n'ont aucune confiance du contenu de l'accord, soit 71% de la population malienne. Par ailleurs, 60% des Maliens ne trouvent pas important le respect du chronogramme de la transition. 9 Maliens sur 10 sont satisfaits de la gestion de la transition. Plus de la moitié de la population malienne, soit 57%, est insatisfaite du travail de l'aménagement Elle le reproche principalement à la mission onusienne de ne pas protéger la population contre la violence des groupes armés. Toutefois, les forces de défense et de sécurité représentent une fierté pour 58% des Maliens et 36% des Maliens voient en elles leur protectrice. La collecte de données de cette enquête a s'est déroulée du 11 au 23 février 2023. L'échantillon interrogé est de 2295 personnes de 18 ans et plus reparties entre les districts de Bamako et 10 capitales régionales, notamment Minaka, Taoudeni et Kidala. De Bamako, Zanga Abdoulaye Ouattara pour la radio Futur Média. Anna Rocha, la situation humanitaire qui se complique du jour au lendemain au Soudan et dans la région. Euh, des dizaines de milliers de personnes affluent dans les pays euh, voisins pour fuir les combats. Elles sont environ 100 000 selon le CICR, le Comité international de la Croix-Rouge, qui précise que la situation humanitaire donc est très compliquée à Wambaye. Une crise humanitaire déborde sur les pays limitrophes qui comptent déjà de très nombreux réfugiés et déplacés internes, notamment en République centrafricaine, au Soudan du Sud, en Égypte, en Éthiopie et au Tchad. Selon le communiqué du Comité international de la Croix-Rouge, environ 100 000 personnes auraient déjà fui les violences au Soudan. Le directeur général du CICR pour l'Afrique, Patrick Youssef, déclare, je cite, La situation humanitaire est très compliquée dans la région. Pour les communautés des pays voisins, il peut être difficile d'accueillir de nouveaux arrivants alors qu'elles-mêmes sont déjà extrêmement vulnérables. C'est pourquoi il est crucial que nous puissions apporter une assistance humanitaire aux personnes qui fuient, qui actuellement le Soudan. Fin de citation. Les combats au Soudan qui ont fait des centaines de morts opposent deux généraux aux commandes du pays depuis le putsch de 2021. Euh, merci euh, Awamba. Et puis, euh, suite à la nouvelle tuerie en Serbie, le président serbe a déploré une attaque contre tout le pays après deux massacres commis à 48 heures d'intervalle. Le chef de l'État serbe a promis de s'attaquer à la circulation des armes qui pullulent, dit-il, sans contrôle depuis les guerres en ex-Yougoslavie. Merci beaucoup, Anna Rocha. Parole aux auditeurs l'actualité. comment pensez-vous Moi, je Réagissez dans nos éditions d'informations sur l'actualité. Bonjour. Du lundi au vendredi, vous avez la parole sur RFM. point de vue, débat sur la préparation de la campagne agricole 2023-2024. Où en est-on à quelques semaines du démarrage de l'hivernage Pour en parler, nous serons avec Aling Ndiaye, ministre de l'Agriculture, de l'Équipement rural et de la Souveraineté alimentaire. Euh, et Cher Tidiane Sissé, le président des agriculteurs du bassin arachidier. Le sport, c'est avec Cher Tidiane Diancher. Bonjour et bienvenue. Merci à vous, Barthélémy Nous vous parlons d'abord euh, de la Cannes U17 de football. Les Lyonceaux effectuent ce soir leur troisième sortie. Oui, gagner pour euh, garder le cap, c'est le leitmotiv Les Lyonceaux cadets qui vont disputer donc leur dernier match de groupe contre la Somalie en course encore pour la qualification. Le Sénégal, après deux succès en autant de sorties, s'est ouvert les portes des quarts de finale. A préciser que le match est prévu à 19h. Nous allons d'ailleurs écouter euh, les différentes réactions, mais d'abord celle de Serigne Saluga, c'est l'entraîneur de l'équipe cadette du Sénégal. On a fait deux participations, on n'est pas sorti en phase de poule. Maintenant, l'objet du premier, c'était ça. Si on finit cet objet premier, maintenant, on va attaquer. On est déjà qualifié pour la quart de finale. On va attaquer plus ou moins ces quarts de finale. Essayer de les gagner pour continuer à faire grandir ces courses. Je pense on gagne quart de finale, on est déjà qualifié à la Coupe du Monde. Ça va donner plus d'expérience à ces jeunes joueurs. Ça va donner plus de vécu à ces joueurs et je pense que ce sera très bien pour le, football, le futur du foot sénégal. Il n'est pas donné à tous les jeunes de faire une Coupe d'Afrique, une Coupe mondiale. Si on a cette possibilité de la faire, je pense qu'il faut, il faut donner sa vie, il faut donner son âme pour le faire. Et ça passera encore une fois par ce match euh, des quarts de finale. Après Serigne Saludia, un de ses tauliers, il s'agit du défenseur central Serigne Diouf qui était également à la conférence de presse d'avant-match. On l'écoute aussi, voici sa réaction. On se sent très bien parce que je peux dire on a joué nos deux matchs, on les a gagnés et on est premier, on est qualifié dans notre poule en premier. Donc ce match-là, on va le prendre avec sérénité, calme, parce que je peux dire qu'il n'y a plus d'enjeu par rapport aux autres matchs. On va gérer ce match comme les autres matchs. Sénégal-Somalie ce soir à partir de 19h à la même heure. L'Algérie, les pays se frottent au Congo. Obligation de victoire pour les jeunes Fenech si toutefois ils ne veulent pas euh, donc être éliminés euh, de cette compétition qui, je le rappelle, se déroule chez eux. Et nous parlons du championnat local chartigan avec euh, euh, le démarrage ce week-end de la 20e journée de la Ligue 1. Deux rencontres sont prévues dès demain à partir de 16h30. Notez que Dakar Sacré-Cœur croise de fer avec le Giraffe de Dakar. Yamar Dessali, qui occupe la place de leader, jouera contre le stade de Mbourg dimanche pour la suite, avec notamment cette rencontre va mettre prise à expliquer nos sport de Ziguinchor. Tengue FC est en déplacement chez le relégable la Lingard de Saint-Louis. Génération Foot, qui occupe la deuxième place, fera face au Gablou de l'AS Douane, excellence de pièce. Dernier au classement, jouera contre GFC, Guédiaway Football Club, donc en course pour le titre. Les insulaires de Gorée feront face dimanche toujours contre les huiliers de la Sonacos de Durban. Nous allons à la découverte de Pape Mboup, l'un des dépositaires de jeux du Giraffe de Dakar, club de Ligue justement. Il a participé à améliorer les performances de son équipe depuis son retour de blessure sur le polos de la Ligue 1. Une blessure l'avait éloigné des terrains à l'entame de la saison, sa deuxième avec le Giraffe de Dakar. Son retour a fait beaucoup de bien à une équipe du Giraffe en difficulté. Attaquant excentré, Pape Mandiabel Boub a été transformé en numéro 10 un nouveau rôle dans lequel il se sent bien. Ah, c'est un nouveau rôle. C'est pas facile, c'est pas facile parce que j'ai jamais joué sur ce poste. C'est la première fois depuis que je suis dans le championnat. Voilà, mais on s'adapte. On s'adapte. C'est pas facile, mais on s'adapte. Il y a des lacunes, mais avec le temps, on va s'améliorer. Inch'Allah. Au milieu de terrain, le numéro 10 du Giraffe se fait remarquer par sa vision du jeu, mais aussi sa qualité de passe. Ancien pensionnaire de Dakar Sacré-Cœur du club des HLM Grand mais aussi de l'US Gorée, Pamboub a des ambitions avec le Giraffe de Dakar, en difficulté cette saison en championnat, mais toujours en course pour la Coupe du Sénégal et celle de la Ligue. Ah, c'est pas facile, hein. c'est pas facile euh, d'enchaîner des défaites en championnat. On a eu quatre matchs sans défaite et la confiance est là. Ça fait quatre matchs qu'on est dans cette même dynamique. On doit continuer sur cette lancée voilà, pour être leader sur les coupes et gagner au moins les deux coupes et arriver au podium sur le championnat. C'est fort possible parce que les qualités sont là, voilà, le staff est là, les dirigeants, tout le monde sont, sont déterminés pour, pour ça, vraiment. Ancien étudiant de l'université garçon Berger de Saint-Louis, Pape Mboub a aussi un frère connu dans le milieu du journalisme sportif. Il s'agit de notre confrère Ibrahim Mboub de la RTS. Boudian, Chertidian, nous parlons basketball pour terminer. Avec la finale de la Coupe Saint-Michel, elle va opposer demain au stadium marie Ndiaye à Estouane à Aïsville de Dakar. Sodetiam assisté ce matin à la conférence de presse match. Après son dernier sac, en 2018, l'ice Douane a perdu deux finales de Coupe Saint-Michel, contre l'US Wakam et contre la GIA. Pour cette troisième finale d'affilée, les douaniers espèrent venir à bout de cette équipe novice de l'iceville Ville de Dakar pour remporter leur quatrième sacre, estime le capitaine Al-Kalindour. C'est le premier trophée du championnat, donc euh, c'est bon pour la confiance de l'équipe ça nous renforce et nous met en confiance pour préparer les autres échéances comme euh, la BIL qui nous attend et les matchs qui suivent. C'est une équipe historique et qui sont en montée. Ils ont gagné le Duc et GIA. Donc euh, par rapport à nous qui avons joué avec Mermoz et Louis Vacam, sans, leur manquer de respect, leur chemin était plus dur que Hein. Mais ça ne sera pas chose aisée vu les performances réalisées par cette équipe de l'Est-Ville de Dakar qui a éliminé la tenante du titre, de surcroît l'équipe la plus titrée de cette compétition, la Jeanne d'Arc. Selon son capitaine Mohamed Doumbouya, il y a un début en tout, donc il reste optimiste pour un premier titre dans cette compétition. Euh, l'effectif est vraiment prêt, est vraiment soudé parce qu'on a rencontré des matchs difficiles avant de venir ici, que ce soit du, que ce soit GA. On les a pris une par une. Et je, prends, je pense que cette finale aussi, on va le prendre comme, comme on doit, avec l'aide du coach, du staff et tout. Je pense qu'on est un peu assez près, pas, pas des fins près, mais assez près pour entamer cette finale. Et comme on dit, Lucimont parce que de toute façon, on est venu pour, pour gagner, on, vient pour jouer, pour gagner aussi. La finale de la 48e édition de la Coupe Saint-Michel va se jouer demain samedi au Stadium Marius Ndiaye à 18h. Une finale qui s'annonce intéressante vu l'engagement et la détermination des deux protagonistes. On l'espère, Soretia. Merci à vous Barthélémy pour la suite du jour. Merci à vous aussi, cher RFM, la radio de toute l'actualité. Revenons sur ces accolades et sourires entre Barthélémy Diaz et Macky Sall hier au Grand Théâtre National. Certains y voient un signe de rapprochement et pourtant dans un passé récent, les deux hommes se regardaient en chiant de faïence. Passé présent entre euh, les deux hommes, Mohamed Ali Mouba jette un regard dans le rétroviseur. Macky Sall qui encense Barthélémy Yaz sous les vivats de la foule. et songe de civilité comme de bons vieux amis. C'était hier au Grand Théâtre d'Ounouyaï Combe le maire de Dakar, Macky Sall, le président de la République, les deux hommes se sont fait l'accolade, essence de sourire. Et pourtant, il y a juste quelques mois, les relations entre les deux hommes étaient loin de refléter l'ambiance actuelle kilifa diine di wax ak yow nga leen di nga leen di ñàkkal fayal xalif général di la woo xalif général des mourides di la woo di wax ak yow nga koy nga koy wax ay wax yow yow gëmul ay dinaa def lii dinaa def ndek yaa ngi def leneen ci ginnaaw mu ngi may dégg qu'on pour ou contre l'État qu'on pense qu'on peut faire ce qu'on veut Ce n'est pas possible dans une république. Mairie de Dakar bi, ne len ko jack te bu len ko ciatu, du ngeen ci jot. 2022, Barthélémy Diaz prend possession de la mairie de Dakar. Élu sous la bannière de Yewi Askanui, le nouveau maire recrute à tour de bras dans son cabinet. Le capitaine Touré fait partie des nouvelles recrues, nouvellement exclu de la gendarmerie, jugé proche d'Ousmane Sonko. Sa nomination ne passe pas. L'exécutif local refuse d'entériner, pas de salaire, la décision du préfet, mais Barthélemy dans tous ses états. Juin 2022, Yehu Kanui projette une marche pour s'opposer aux dérives du régime en place. La répression est féroce. Mamdiara Fam, Dekefal et autres sont arrêtés. Sonko signé presque à résidence, Barthélemy bloqué chez lui, sur sa terrasse. Le maire de Dakar avertit Macky Sall. Toutes les communications de la gendarmerie et de la police, on a tout enregistré. suñu radio yi ñom luñuy wax dañ leen di déglu. na ngeen ko japp, na ngeen ko japp, du ngeen ma japp dama diwo diwulin, du ngeen ma japp. da ngay rasu dal. du ngeen ma japp dama leen ko dul yekkal man duma shawarma Duma hamburger les relations entre les deux hommes continuent d'être exécrables et même la nomination de Jean-Paul Diaz, le père de en envoyé spécial de Macky Sall, n'apaise pas le courroux du fils. Maintenant avec Jean-Paul Diaz ci Macky 2012 le mës a bokk. Mhm. te amul ci Macky batay man maa tax jot jotu ci wax ni président Macky Sall. lawone woon fa Bart ne changera pas. Tellement mécontent de Macky Sall, Barthélémy Diaz a fini par dire qu'il ne voulait pas voir Macky Sall, même en peinture. Je n'en veux pas. Il ne mérite pas que Il ne mérite pas. Ça, c'était avant les sourires et les civilités d'hier au Grand Théâtre National d'Oudouya et Rose. la presse du la presse du jour, euh, nous restons avec Mohamed Ali Mouba. Bonjour. Le dialogue politique prend forme au Sénégal. Si jusque-là Macky Sall se contentait par presse interposée d'appeler l'opposition à lui parler, à dialoguer avec son régime, depuis hier on est passé au prologue qui s'est carrément ouvert au Grand Théâtre National. Et sur scène, grosse surprise hier, de grands acteurs de la scène politique sénégalaise. Khalifa Sall, Barthélémy Diaz, et Macky Sall, main dans la main, on se on se fait l'accolade. Et Besby le jour remarque que c'est la première scène du dialogue début du dialogue au Grand Théâtre relève de son côté le quotidien qui écrit On oublie tout et on recommence à zéro. Ce n'était pas du théâtre au Grand Théâtre Doudou Ndiaye Rose hier. Macky et Khalifa se sont donné une accolade. Macky et Abipsi se sont chaleureusement salués aussi. Macky a félicité Barthélemy qui a affiché un sourire aussi énorme que les surprises produites par la journée d'hier. C'était le même dialogue avant le car Khalifa et Macky ont décidé d'enterrer la caisse d'avance de la mairie de Dakar qui a créé les conditions d'inéligibilité de l'ancien maire de la capitale. On est sur un air de réconciliation. Tout ça fait peser des menaces sur Yewi Askanui. Sale retrouvaille donc bicheron le journal. En tous les cas, remarque le témoin Maki Khalifa et Barthélémy comme Saou et le président Macky Sall n'a pas hésité à jeter des fleurs au maire de Dakar sur un air taquin. Yangi Doralde, je dirais à ton papa que tu as bien travaillé. Entre accolades de sourire complice, tape à l'épaule et les clins d'œil complices étaient comme Laurent à la foire et le journal de se demander s'il s'agit de dialogue avant l'heure ou avant les leurs. Entendez la duperie ou encore la désillusion. Pour le moment, Khalifa a décidé de faire le pas et le journal enquête note que tout cela n'est pas pour plaire à certains dans Yewi, qu'à cela ne tienne, il fait quand même sa mise. C'est parce qu'aux yeux du journal Khalifa est dans le supercalcul entre Macky Sall, Ousmane Sonko, Khalifa Sall, Karim Ouad, chacun d'ailleurs manœuvre pour se garer sur la ligne, quitte à faire imploser le duo Khalifa Ousmane Sonko. C'est le choc des agendas pour la présidentielle 2024. Walfadri note que dans cette affaire, c'est Ousmane Sonko qui est en train, a priori, de prendre des coups. Son isolement prend de plus en plus forme. Tribune qui en est mécontent visiblement écrit que Macky Sall dialogue avec les hommes du système. L'analyste politique Papa Madofal confie au journal sur ça que Sonko a intérêt à s'asseoir avec Macky Sall pour trouver la meilleure dynamique. Le procès Ousmane Sonko à le parquet amorce le dernier virage avant le face face entre les protagonistes prévus dans à peu près 10 jours. C'est le 16 mai 2023. Vous le savez, le journal Les Échos note que le procureur de la République a saisi la chambre criminelle, la juridiction de jugement qui doit connaître de l'affaire et les avis ont été envoyés aux différentes parties. Papnia est bientôt devant le juge. C'est pour une audition dans le fond le 23 mai prochain. Selon Libération, son avocat va en profiter pour introduire une demande de liberté provisoire pour le journaliste Wolf, poursuivi, vous savez, pour diffusion de fausses nouvelles, discrédit sur l'institution judiciaire, outrage à magistrat, mise en danger de la vie d'autrui, entre autres chefs d'inculpation. La CAP, la coordination des associations de presse, a écrit une lettre pour implorer le pardon de Dame Justice. Quant à Nit Doff, lui reste en prison. Sa demande de liberté provisoire a été rejetée par la Cour d'appel, note toujours libération une de l'Observateur, Santé, le drame des enfants victimes d'AVC, enquête sur une pathologie rare et complexe, 130 cas recensés à l'hôpital Albert Royer, les risques de troubles d'apprentissage et les difficultés d'insertion sociale à lire à la page 9 du journal. Les témoignages déchirants de mamas de victimes à lire aussi. Dans le journal Le Soleil, la maladie de fièvre hémorragique de Crimée-Congo au Sénégal, la situation est sous contrôle, relève le journal. Après le décès de l'unique malade, le 22 avril dernier un nouveau cas détecté note le soleil. Tous les cas suspects et contacts sont sous surveillance. Ce matin, dossier sur les pics sarcasme, colibé et punchline dans la musique sénégalaise quand le battle fait le hit. En tout cas, ce sont les nouvelles règles du jeu, New Rules of the Game et les artistes sont obligés de s'aligner à cette tendance pour exister. En plus d'avoir une belle voix, ils doivent désormais être forts dans les pics et autres sarcasmes une qui fait perdre à la musique sénégalaise, selon l'observateur, son rôle éducatif d'antan. Le journal a repris le morceau de Titi Soko le morceau d'Alinkor de Samb pour donner quelques exemples. Mia Les artistes, en fait, suivent les règles du marché. La musique doit avoir un rôle fédérateur plutôt que de semer la discorde, avertit la grande diva de la musique sénégalaise Kiné la Mambamba. Pour Dr Abdoukhad Sanoho, si les artistes contribuent davantage à semer la discorde de la communauté, ce n'est plus de l'art. Bonne nuit à tous. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous nous avons quelques minutes donc pour parler de la préparation de la campagne agricole 2023-2024. Où en est-on à quelques semaines du démarrage de l'hivernage Pour en parler, nous sommes avec euh, le ministre Alingou euh, Monsieur le ministre, bonjour. Oui, bonjour. Voilà, vous êtes ministre de l'Agriculture, de l'équipement rural et de la souveraineté alimentaire. Nous sommes également avec Cher Tidiane Sissé. Monsieur Sissé, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président des agriculteurs du bassin arachidier. Alors d'abord la parole euh, au ministre de l'Agriculture, euh, Monsieur Ali Nguyen Alors l'hivernage, Monsieur le ministre, euh, s'annonce. D'abord, faites-nous le point sur la campagne à venir concernant la disponibilité des intrants. Mais merci beaucoup, merci beaucoup pour cette invitation. Hum. comme vous l'avez si bien Mm-hmm. Euh, la campagne euh, hivernale s'approche. Mm-hmm. Donc nous sommes en train de mettre en place tous les éléments pour assurer une bonne campagne agricole. Mm-hmm. Déjà, cela a commencé par la décision de son Excellence, Monsieur le Président de la République, qui, de façon inédite, a décidé d'octroyer pour cette présente campagne un budget de 100 milliards de francs CFA. Je rappelle que ce budget en 2019 était à 40 milliards. Donc vous voyez déjà, dans l'espace de, de, 4 ans, euh, l'évolution, ça montre l'ambition de son excellence et également euh, la décision qu'il a prise pour euh, appuyer davantage les agriculteurs. Mhm. Donc nous sommes en train de faire le point. Déjà, euh, nous avons euh, pris des dispositions pour faire le point de, des semences. Mhm. Euh, également, nous ferons très prochainement une situation pour les, pour les engrais. C'est principalement les principaux intrants, mhm. plus le matériel agricole également pour, les, pour nous sommes en train de prendre des dispositions pour sa distribution effective euh, dans le monde rural. D'accord. Vous avez euh, annoncé tout à l'heure, Monsieur le ministre, une enveloppe de 100 milliards de francs CFA. Cet argent-là va servir à quoi Cet argent sert à subventionner les, intrants, généralement, hmm. c'est euh, d'abord les, les, fertilisants et également les, semences hmm. et peut-être une partie de, de, matériel euh, agricole, une partie. Ça, c'est juste pour le petit matériel. Donc, qui va composer donc, ces, 100 milliards. Hmm. Donc, nous avons dans les, dans les grandes répartitions déjà 40% de ce montant, à peu près, est réservé donc aux fertilisants, c'est-à-dire les, les, engrais, qu'il soit chimique, organique ou bien que ce soit le, le phosphate naturel. D'accord. Voilà. Donc, pour le reste, c'est les semences d'arachide, c'est les semences de maïs, de mhm. sorgho, de mhm. maïs hybride. C'est également les nouvelles cultures que nous introduisons avec le blé, euh, voilà, le, le sésame, donc c'est ça à peu D'accord, d'accord. Euh, je reviens à vous tout à l'heure, euh, Monsieur le ministre, le temps de donner la parole à Cher Tidiane Sissé, le président des agriculteurs du bassin arachidier. Monsieur Sissé, vous êtes euh, sur le terrain de façon constante en contact avec les paysans. Qu'est-ce que vous avez constaté Écoutez, d'abord, c'est dire bonjour au ministre et ce que je veux dire, c'est que nous remercions le président de la République du fait que vraiment 100 euh, milliards, ce n'est pas une petite somme. Mhm. Mais comme on a l'habitude de le dire, euh, la planification risque de poser des difficultés. Mhm. Parce que comme vous le savez, on est à 20 jours euh, pratiquement comme l'a annoncé l'ANASIM, mhm. bah, parce qu'en fin de mai, peut-être les pluies vont tomber. Et en début de juin, juste, l'ANACIM a dit que peut-être on peut avoir les premiers signes. D'ailleurs, un hivernage précoce précoce. Mhm. Donc pour l'instant, si vraiment on n'a pas encore la mise en place effective des semences et des, intrants, ça pose problème. Et aussi, le matériel agricole n'est pas encore là. donc, donc, vous, c'est plutôt un sentiment d'inquiétude qui vous anime À coup sûr, parce que maintenant, pour euh, ce qui est des semences d'arachide, il faut que les paysans reçoivent ça, qu'on d'abord que les commissions reçoivent ça, mhm. euh, les distribuent et euh, les décortiquer, les trier et tout ça là, ça demande du temps. Et je pense que euh, donc euh, ça mériterait vraiment que euh, les choses se précipitent le plus tôt possible, parce que sinon, ça va poser d'énormes difficultés aux, ayants, aux droit et les, intrants aussi. Nous, ne savons pas les prix de cession parce que, comme vous le savez, nous avons dit à l'État de subventionner le grand maximum l'engrais parce que c'est ça la forte demande des paysans, parce que mhm. comme vous le savez, euh, nous avons proposé même 5 000 francs pour l'engrais, parce que moi j'ai toujours dit que si l'État euh, subventionne l'engrais, quand il y a une forte production, ils peuvent rattraper l'argent parce que du fait de l'exportation de, ces produits-là, on peut les surtaxer euh, et, ça va faire revenir l'argent subventionné. Donc, je pense que aussi le problème fondamental aussi, au niveau des agriculteurs, nous, nous, nous ne connaissons plus rien de ce qui se passe parce que euh, euh, nous, en tant que producteurs, on était des ayants droit au conseil interministériel, mhm. mais on a vu deux conseils interministériels qui sont là. On ne nous a pas convoqués. Et je pense que celui qui fait pour toi et n'a pas, ne t'a pas avisé, peut-être il ne fait pas pour toi. Donc, moi, je pense qu'il y a vraiment beaucoup de corrections qu'il faut faire. Et nous demandons solennellement au ministre, vraiment, de nous, de nous faire euh, participer à certains trucs pour vraiment savoir exactement ce qui se passe. Parce que nous, pour que qui nous connaît, euh, euh, ça, euh, c'est que nous sommes des acteurs potentiels dans le monde rural et mhm. que par contre, on doit être avisé. Avisé. Je reviens à vous tout à l'heure. Monsieur le ministre, je vous donne juste la parole sur cette inquiétude hein, des, des, paysans. ils ne sont pas les seuls parce que ceux de Josson également, c'est dans le département de Foundiou. Peut-être vous, vous les avez entendus sur cette antenne hier émettre des doutes sur la disponibilité de l'engrais, mais également sur les semences qu'ils ne voient toujours pas. merci beaucoup. Je pense que à ce niveau, je me veux quand même euh, clair. Je remercie d'abord M. Cheikh Tidjan pour son intervention. Mhm. Euh, j'ai bien compris également ses inquiétudes et je peux le rassurer que nous sommes en train de prendre les dispositions pour, euh, la mise en place des entrances avant le début de l'hivernage. Et on va commencer priorité par là où, selon les projections de la mm les Bernard s'installer en premier lieu. Mhm. Donc, c'est notamment au niveau de, l'Est. Mhm. Et puis, bon, le reste, on va prendre les dispositions. Mais je voudrais quand même également, vous savez, dans, ce pays également, on, aime plus se positionner pour parler à la part des il y en a beaucoup qui disent que non, il faut qu'on nous distribue, qu'on privilégie la distribution des engrais. Euh, bon, euh, c'est vrai, des fois, c'est peut-être euh, des gens qui ont cette position, mais c'est pas forcément la position de l'essentiel des agriculteurs. Mhm. Parce que moi, beaucoup de personnes qui m'interpellent, directement, c'est nous voulons d'abord des semences. Donc, c'est bien beau d'avoir de l'engrais, mais si vous n'avez pas de semences, c'est pas évident que vous pourrez euh, faire une bonne campagne agricole. Mhm. Dans un premier temps, nous sommes obligés, nous, de faire cette conciliation des différentes productions. Et c'est vrai, il peut y avoir des inquiétudes cette année pour ceux qui euh, veulent de la semence, surtout d'arachide, mhm. mhm. de parce que l'année passée, euh, ces spéculations n'ont pas forcément donné. Ça, c'est un peu lié à la façon dont nous euh, plus disons les semences euh, de ces différentes spéculations. C'est pourquoi d'ailleurs je demeure convaincu que nous devons changer de paradigme pour la production de semences dans ce pays et ne plus compter uniquement sur l'hivernage. Parce que c'est effectivement quand, mhm. l'hivernage euh, ne donne pas peut-être de, bons résultats ou bien des arachides de bonne qualité, par exemple, on n'est pas assuré mhm. d'avoir de la bonne semence. Mais, avec les discussions que nous sommes en train de prendre, je pense qu'ils auront des semences au moment où je parle, des équipes sont en place pour mm. pouvoir euh, positionner, euh, localiser les semences, les géolocaliser et dans la distribution, on fera de sorte que les semences puissent être distribuées dans les endroits proches de leur lieu de stockage. D'accord. Et, et, quand est-ce que les opérations de distribution vont démarrer Bon, normalement, déjà, on a prévu au plus tard le 15 mai de finir l'installation de toutes les commissions, parce mm. qu'il faut d'abord ça. Donc, j'ai déjà envoyé une circulaire à l'ensemble des, des, gouverneurs, donc pour qu'au plus tard, le, 12 mai, qu'on puisse euh, finaliser la mise en place des, commissions. Mhm. Euh, et, voilà, à partir de là, on pourra déjà commencer la distribution d'abord des, semences, des engrais, et également au niveau donc du matériel agricole. Euh, tous les tous les départements ont reçu notification de ce qui est disponible au niveau du matériel agricole et ont mhm. commencé à faire des séances de travail pour euh, distribuer le matériel là également. Euh, je précise tout simplement qu'on a mis, on a voulu déjà pour une distribution équitable du matériel demander aux autorités administratives de faire de sorte mhm. que euh, le matériel agricole, que les, que les femmes aient leur part dans ce matériel agricole, que les jeunes aient leur part dans ce matériel agricole et que également dans la distribution qu'ils tiennent compte de l'équité territoriale, faire de sorte qu'au moins dans chaque arrondissement, mhm. qu'il il puisse y avoir au moins, par exemple, un tracteur. D'accord. D'accord, je reviens à vous tout à l'heure, euh, monsieur le ministre. Euh, monsieur euh, Sissé, certainement vous êtes, entre guillemets, rassuré par cette, par cette déclaration du, du, ministre, mais j'aimerais savoir par rapport à l'enveloppe annoncée tout à l'heure, 100 milliards de francs CFA, certains paysans demandent déjà à ce que cet argent soit utilisé de façon équitable. Écoutez, moi je pense que pour les 100 milliards, c'est quelque chose qui peut faire grande chose et je pense que pour ce qui est les fertilisants. C'est un bon programme, mais je pense que ça demande tout un suivi parce que ça ne va pas s'arrêter pour cette année-ci. Peut-être c'est pour deux ans, trois ans, pour vraiment parce que nous avons des sols lessivés et que par contre, je pense que c'est un programme qui peut vraiment donner des résultats. Euh, mais aussi, euh, pour des semences, comme l'a dit le ministre, moi je pense qu'il faut qu'on change de paradigme. Mhm. Parce qu'avec les opérateurs, moi je pense que ceci ne peut pas prospérer du fait que c'est des gens qui achètent et qui, euh, qui euh, emmagasinent et fument et en fin de compte, ils distribuent. Il n'y a vraiment pas toute une technique pour vraiment faire valoir des semences de qualité. Et je pense que à ce niveau, moi, de mon de point de vue, je pense qu'il fallait qu'on donne ça à, aux huiliers parce que euh, c'était l'ancien système mhm. qui, il y avait la Sonagraine, il y avait euh, la Seine. Et je pense que c'est des gens habilités parce que c'est des industriels. Ils peuvent recruter des ingénieurs, des personnes, un personnel qui peuvent euh, faire le suivi sur le terrain. Et je pense que à ce niveau, vraiment, peut-être, on, on aura à corriger euh, les systèmes de semences, sinon vraiment, euh, comme l'a dit le ministre, parce que l'année dernière, seules les spéculations de l'arachide ont eu à reculer de une dizaine de, de, pourcents. Et ceci est inadmissible. Je pense que euh, ceci vraiment mérite vraiment toute une correction qu'il faut faire mais pour le reste aussi, mhm. euh, les autres spéculations, le mil, le, maïs, les paysans euh, euh, sont en train de trouver des résultats parce que mhm. comme le maïs, on a au point 4, pour, 4 tonnes à 5 tonnes l'hectare et les, paysans commencent à vraiment tourner vers le maïs et s'il leur donne vraiment des résultats. Des résultats. Merci beaucoup, cher Tidiane Sissi. Malheureusement, nous sommes rattrapés par le temps. Monsieur le ministre, en quelques mots, j'aimerais simplement vous entendre par rapport euh, à, la question liée à, l'engrais. L'année passée, on a semblé avoir des problèmes quand il s'est agi d'importer l'engrais avec la guerre en, Ukraine. Cette année, quelles sont les dispositions que vous avez prises cette année, déjà, ce que nous pouvons annoncer, c'est qu'il y aura quand même, euh, non seulement nous allons augmenter le volume de l'engrais, mais le prix va également baisser et c'est important comme message à donner. Mhm. Et mieux, cette année, nous allons introduire. Euh, mais le prix n'a pas été encore fixé. Oui, le prix sera fixé dans les, très certainement la prochaine semaine. Mhm. Cette année, nous aurons donc une baisse des prix, une augmentation du volume, et nous allons mettre au moins du phosphate de fond pour euh, une cinquantaine de milliers de tonnes. Et cette fois-ci, avec une approche très différente, nous allons expliquer aux populations comment on va l'utiliser et effectivement, comme si c'est le dit, c'est un programme qui ne devrait pas s'arrêter sur une année, c'est quelque chose qu'il peut faire sur les quatre prochaines années pour permettre euh, de, de, de refaire revivre donc, le, le, sol. C'est mhm. important. Mais je voudrais également dire à M. Tissé que dans le domaine pour les, semences, nous avons changé de paradigme. Les semences, il faut le donner à des opérateurs semenciers qui font que de la semence. Si vous prenez l'arachide, la semence d'arachide ne doit pas être en compétition avec l'arachide du riz. Donc, c'est des opérateurs qui sont là pour faire les semences dont nous avons besoin au Sénégal, tout simplement. D'accord. Donc, c'est important. Nous avons déjà, nous avons d'ailleurs démarré avec les fermes Anida, que mhm. nous sommes en train d'utiliser comme des fermes semencières aujourd'hui, et nous avons une expérience déjà qui a démarré avec le maïs, avec l'ignabé et avec l'arachide, euh, déjà pour la prébase cette année, mhm. et nous allons continuer avec l'hivernage, et pourquoi pas reprendre mais il faut mettre des opérateurs semenciers mhm. dans le secteur pour pouvoir assurer une production D'accord. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur le ministre Alingou ministre de l'Agriculture, de l'équipement rural et de la souveraineté alimentaire. Merci également à Cher Tidiane Sissé, le président des agriculteurs du bassin Arachidier. Mesdames, Messieurs, merci à vous. On vous retrouve tous les deux, Monsieur le ministre et Monsieur le président, dans le journal de 13h. Ce sera dans deux minutes. J'ai abusé du euh, temps, vous l'aurez compris, avec des excuses du côté de la technique, bien sûr. C'était le midi, présenté par Barthélémy mise en monde à l'une barre, Digital Yacine puis réalisation et la vous allez retrouver euh, dans moins de deux minutes pour le 13h. Chef euh, d'édition à Wambaï, bonne suite de programme.